Une très bonne appréciation parce qu'on a assisté aujourd'hui à une très belle fête euh, du sport en général, du football en particulier. Les jeunes ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour euh, démontrer que le football reste encore un, jeu, euh, une passion qui est partagée entre la jeunesse de façon générale et qu'aujourd'hui il n'y a ni gagnant ni vainqueur, c'est la jeunesse de Ngundian dans son ensemble qui a gagné. On a assisté particulièrement à un fair play entre les deux équipes, malgré la proximité, l'adversité qu'il y avait sur le terrain. Ils ont montré et démontré à la force du monde qu'ils étaient de, beaux joueurs, euh, de grands sportifs animés d'un esprit de fair play. est-ce que besoin d'infrastructures vraiment Exactement, en arrivant ici, c'est la première impression que j'ai eue. J'ai vu qu'il y a au moins deux ou trois terrains qui ne sont pas clôturés. Et dans le cadre de la réalisation d'infrastructures de proximité, le ministère des Sports et de la Vie associative est en train de mener euh, un programme de réalisation de, stades communautaires, comme l'exemple de, de Ngundian ici, euh, où nous envisageons cette année de mettre en place une grille de protection au niveau du stade de, de Nous envisageons dans le même temps de faire des clôtures au niveau de certaines localités qui seront identifiées par les services du ministère et le service de la collectivité locale. effectivement, euh, on voit ici que l'activité est vraiment décentralisée parce que venir euh, jusqu'ici, trouver qu'il y a des jeunes passionnés et qui ont quand même du talent pour euh, s'adonner au football. Ça nous motive davantage à réaliser cette activité qui est la clôture des, des, stades communautaires. waaw dañ fi ñëwoon ci finalu euh, bi nga xam ni Assane sur sunu xarit euh, di conseil technique ministre Augustin Tine ministre des forces armées moo ko initié ko jeunesse su muy waa waa Ngunjaan mu doon fet bu rafet fet bu neex parce que gis nañ fi football bu am solo xale yi wane nañ liñ mën vraiment match bi neex na et puis li gën a neex li gënoon am solo mooy que amoon na fair play euh, dëgg ci terrain bi jongante bi métti woon na mais wan nañ ñëpp ni football sport du du juwa du juwatle day boole ay doomu aadama wan nañ ko ñëpp et moo doon leçon bi gën a neex tey ci final bi donc final bi tey finalu xale Ngunjaan la amul gagnant amul perdant waa Ngoundiane ñoo gagné jeunesse su Ngoundiane moo gagné tey waaw dëgg la boo ñëwee boo xoolee terrain bi vraiment nga gis ni euh, potentiel am na fii. activité bi décentralisé parce que on est à des centaines de kilomètres de Dakar nga gis ni xalé yi am nañ pas pass bëgg jouer mais li manque, comme ni nga ko infrastructure bi euh, ministère des sports et de la vie associative bi Mbagnick Ndiaye jité tay politique bi très mënee moy fexé ci watu infrastructure d'envergure manam le sàdd yu mag yi nga koy défar ak infrastructure de proximité je mel fi ñu nekk tay ci nga xamni liñ fi gëna soxla clôturer RDG de bi stabiliser ko def grille de protection defal leen ay les ak filets etc. politique de ñu ci dans la région de Thiès dans le département de Thiès nous yuñ fi entreprendre peut-être que au niveau de ce li envisagée c'est la grille de protection au niveau du stade mais je ngi ciy waxtaan ak euh, sama xarit Mbaye Faye pour ñu xol dans la communauté rurale fait ak année yi di ñëw année bii di ñëw particulièrement yan sàdd lañ fi choisir pour faire une clôture faire une grille de protection stabilisée et de jeu bi politique bob le ministère bi di et vraiment ñi ngi ñaan également politique locales yi ñu dugal seen ci réalisation d'infrastructures de proximité pour jàppale xale Et El Hadj ordre, directeur de cabinet du ministre des sports de l'Aviation. c'est bon vous êtes un responsable politique de ici à la zone. En tant que politique, qu'est-ce que cela vous fait d'organiser une fête sportive, en une finale en l'honneur de la jeunesse de Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord de votre présence et de votre interview liée à cette manifestation que l'APER Ngunyan a organisée, qui est une compétition appelle cette activité importante qui est la jeunesse de Parce que nous, nous avons senti que depuis cinq ans, le mouvement Navetan est à l'étargie en Quand nous nous sommes investis en politique, après avoir constaté cette léthargie, nous avons travaillé à réunir un certain nombre de conditions euh, matérielles, financières, pour, installer véritablement un certain nombre de réalités qui nous permettront quand même quand même réunir les conditions, les jeunes de autour de l'essentiel qui est le sport, à travers une solidarité, à travers une fraternité, à travers des rapports qui permettraient à la jeunesse d'Unguane de se s'épanouir intellectuellement et physiquement. Cela a manqué depuis longtemps et nous travaillons depuis très longtemps dans ce sens. Dans ce travail, nous sommes accompagnés par une coalition que nous venons juste d'installer qui s'appelle la coalition Andando de Defargounian, qui est composée de l'APR, du Parti Socialiste, du Rémi et du PDS, qui a l'objectif de prendre en, question un certain nombre d'enjeux liés au développement d'Ongounian. Ils sont tous présents ici à côté de l'APR pour euh, magnifier véritablement ces ce symbolique consistant à réunir la jeunesse de autour de l'essentiel qui est le sport, qui est une activité quand même qui peut travailler à réunir les conditions du développement économique de champs tout de même hétéroclite, puisque vous avez fait une bande à part Hétéroclite et contre nature, dirait-on, mais cela est justifié par un certain nombre de réalités. Parce que nous, en nous investissant sur le terrain politique, c'était pour surmonter un certain nombre de défis que le PCR actuel devait surmonter depuis qu'il a été élu à la tête de Ngundian en 2009. Mais nous sommes sentis qu'il s'est déçu par sa gestion. C'est pourquoi, dans une mouvance globale, à travers un sursaut d'orgueil populaire qui s'est manifesté au niveau de la population, il y a une réaction populaire qui nous a motivés à articuler véritablement un combat. Un combat qui va consister à prendre les défis euh, économiques, sociaux, éducatifs de qui, qui, sont tous à l'état. C'est pourquoi c'est une conscience citoyenne qui est là, aiguë, qui s'est manifestée et qui s'est manifestée à travers toutes les formations politiques sans exclure. C'est pourquoi nous nous sommes retrouvés avec, malgré euh, comment dirais-je, malgré une instruction présidentielle qui voudrait que qu'on aille sous la mouvance de Benobok avec le PC de moudian nous, nous avons défi cette, cette instruction en nous conformant à la volonté populaire qui est clairement exprimée, et qui consiste à aller sans le PCR, à aller sans l'AFP exclusivement, ne serait-ce que pour quand même prendre en charge les défis qui interpellent euh, quand même la population de moudian depuis très longtemps et qui ne sont pas pris en charge. périlleux combat Absolument, je crois que qui ne risque rien n'a rien de l'adage. Quand nous, nous, sommes, nous investissons la politique, dans la politique, c'est un glissant. Et nous avons pris l'entière responsabilité de travailler en collaboration avec toutes les formations politiques ici réunies. Donc le PS est à l'intérieur, le PDS est à l'intérieur, donc le REMI est à l'intérieur et l'APR est à l'intérieur. C'est risqué, mais en réalité, nous avons mesuré l'ampleur du combat, le degré de combat, nous avons mesuré l'ampleur des enjeux et cela nous a poussé à nous réunir autour de cette coalition qui s'appelle Ande Dafaro Ngunyan, qui n'est, je le répète, l'expression de la volonté populaire. La population de Ngunyan est derrière nous, nous soutient dans cette bataille, dans ce combat, et ce qui suit, Inch'Allah, nous gagnons. merci d'abord abord ci affaire navétane bi bi def politique depuis 2009 ñu ñëw jàppale président Macky Sall dañoo fekk mouvement navétane nekk à l'état-major à chaque fois que autorité locale yi fi nekk bu organiser affaire bu demee ba si dëgg bi day commencé indi xeex am benn politisation boo xam ne day tem ba wax dëgg yàlla day indi ay problème ay xiiroo ak ŋaayoo ñu ne il n'est pas question quand même ñu bàyyi loolu muy wéy loolu tax bu ñu en politique nous il va falloir nous jël suñu responsabilité responsabilités redresser la situation en réhabilitant le mouvement navétane à travers le wax une compétition que l'APR a initiée globalement au niveau de Ngoundiane ci bi également au niveau de la finale aujourd'hui ñu sommes ci ànd ak suñu mbokk euh, waa réew mi waa PDS soit PS soit APR ci mbooloo bu ñuy tuddee defar coalition boo xamee ne coalition entre contre nature la maanaam dafa waroog li nga xamante ne moom la président bëggoon moom la président Idrissa bëggoon moom la président Abdoulaye Wade bëggoon mais dañoo ne fii Ngoundiane ñi ñoo fi dëkk ñi ñoo fi yeewoo ñoo xam ñu fiy dund par conséquent bu ñu demee ba ay ndigal jóge su suñuy wasila ci wàllu politique dañ ko càmbar xool ko xoolaat ko ba gis li nga xamante ne moom la ñu bëgg mën a appliquer ñu appliquer lu ñu mën a appliquer mooy dañoo gis ne doomu Ngoundiane yi parti politique boo dem am ay compétences yu xarañ yoo xam ne war nañu mën jëriñ Ngoundiane dañu né il va falloir qu'on fasse preuve de ce qu'on appelle une gestion participative bo xamante ne dañuy teg un conseil communal bo xam bo gesto nga gis waa jeune yi réew gesto boo gëstoo nga gis les jeunes du PDS très compétents bo gesto nga gis waa jeune appel à jeune PS lolu rêve bo xamante ne dañ ko yàgg a pour lolu yalla may ñu occasion maintenant malgré instruction jóge ci kaw ñu appliquer ko toutes les les conditions sont réunies pour ñu appliquer ko parce que ko waral moy bu ñuy def politique amna na défi yu bari fi nekkoon yo xamante ne yaakaar la woon ñu am ko ci ki fi muy mbay la PC Dungu Ndiane

bokk ndey bokk baay bokk deret bokk fi ñu jëm kon war nañu mën a ànd ci boobu moo tax dañoo dindi sunu mbubu pali parti politique par parti politique sol mbubu ngunjaan mbubu ngunjaan moo ñu soxal moo ñu ñor incha allah population yi dégg nañu population yi ginnaaw élection incha allah nañ gagné merci beaucoup.